xam ngeen ne euh, ci semaine yi ñu ngi ci situation bu bu bu jafe bu doy waar feebar bi am fii ci réew mi heureusement au moins euh, président de la république gis na tel na jël ay disposition su ngeen gis sax ci télé yi wane nañ même nu ñuy raxasoo ak yooyu woné nak pour wan ne problème bi c'est c'est un problème sérieux bo xamné ne ñëpp ci wara a xel en dehors des dispositions yu ñu wara jël ci cet gi ak ci comportement attitude yu ñu war am ci suñu comportement de tous les jours il faut que nit ñi mëna contribuer du société yi du société yi rek tous les Sénégalais doivent contribuer képp ku mën dara parce que ñun ñep ñoo problème bi ñun la c'est pas un problème de l'État du État rek mo wara def ñep ci wara japp particuliers yi société yi ñep alors l'ONAS également motax ñu indi tay suñu contribution génn produit yi lu ñu la pour le moment c'est un début 30 millions là à peu près c'est des produits yo xamné ministère bi dina ko dina soxla pour jëfëndiko pour euh, art nit ñi pour euh, préserver pour jël déjà les devants pour que maladie bi bañ am fu fu am tamit ministère am moyen yu tax mu koy mën a mu leen di mën a dëkku mën a faj nit ñi. ñaan ñu ko yalla waaye su mbir mi gëwoon xawoon na law tuuti ndax LONASE pare na ngir gëna a dugalaat loxoom ci xex bi wessu 30 millions yu mu dugal. oui oui absolument moy li ma doon wax sax ci ci tubaab ñun actuellement soldat lañu waxuma lo LONASE rek ñepp wara a doon soldat actuellement ñun soldat lañu fepp combat bi laaj rek dañ ko def ana ñu ñàkk ko am mais lepp lu ñu am té euh, mbir mi laaj ko dinañ ci def inshallah J'aimerais au nom du chef de l'État, au nom de son Excellence le Président Macky Sall et du gouvernement du Sénégal, remercier la LONAS à travers euh, son directeur général et dire euh, combien son apport sera déterminant pour euh, la lutte contre le Covid-19. Monsieur le directeur général vient de dire, la LONAS est fondamentalement au service des populations et aujourd'hui, il vient de l'exprimer nous pouvons effectivement dire euh, de manière certaine qu'avec cette contribution de la LONAS, nous allons mettre en œuvre euh, ce que nous voulons en termes donc de comportement, surtout au niveau des couches les plus démunies. Ce dont ira au niveau des districts et les districts vont l'utiliser au niveau même de la base, au niveau des populations. Euh, j'aimerais effectivement aussi en profiter pour dire que cette action-là est une action qui peut être définie comme étant une citoyenneté d'entreprise, parce que la citoyenneté n'est pas seulement pour euh, les personnes physiques, elle peut être appréciée aussi en direction des personnes morales. Et la LONAS vient de montrer que c'est une entreprise très citoyenne. Par rapport à la lutte maintenant, euh, nous sommes dans une phase très très importante, parce que vous le savez qu'il y a deux approches de la lutte. Il y a une approche pour lutter contre les cas importés. Cela se fait au niveau des frontières. Et il y a une approche euh, pour lutter contre les cas communautaires, la transmission communautaire locale. Ça, ça se fait en, euh, évitant, des rassemblements, en euh, se comportant d'une manière favorable à la bonne santé, etc. Pour cela, je crois que notre partenaire principal, ce sont effectivement donc les organes de presse, vous, en tant que journaliste, vous jouez un rôle extrêmement important dans le combat. Et j'aimerais euh, utiliser donc euh, cet événement-là de la LONAS comme prétexte pour lancer encore un appel à ce partenariat-là avec la presse pour combattre le Covid-19.